jangatu Lacoste ci mbir mi bi la problématique des fiches de parrainage du candidat Ousmane Sonko am ci ay pàcc yu bari yo xamné euh xéna momako gëna metti ko gën mais ci leen dina dina ak euh, mbokk yi doyen ak vous la parole. Merci coordonnateur euh, Mamadou Lamine Dianté maa ngi nuyu ñu fi nekk ñëpp journalistes yi ak les leaders fas yéene waxaat ak or ak Macky Sall parce que moom mooy ndeyu mbili gi lépp moom di ko wax ne mag yi dégg nañ ne yaa ngi dem njoorowal jàmm yàlla sa ngelaw nangu ndaxte ni ko may mun a waxee sànq sénégalais yi sonn nañu lool dama dégg ci suma maître à penser ci politique sama sëriñ muy président Abdoulaye Wade bi muy seedeel Kéba mbay benn bés mu ne li Kéba def yépp nit ñi di ko wax benn moo ci ëpp solo te boobu la ñuy jàpp mooy président de la république wax ba pare Kéba président du conseil constitutionnel ne ko duma ko def moom la mag di wax ne nit buñ ko dénkee mbir bu fa jógee rëddu rekk moo ciy des moo fi defoon lii mais Maki n'a pas compris dafa yaakaar ne état ay tali ay pont bien que loolu yeewut ci xelam mais état ëpp na loolu borom xam-xam yi jàngale état am na gis-gis parce que ça relève du domaine de l'esprit mag ñi fi nekkoon ñu baax yépp ñu kenn bayou fi tabax jukko lañ fi bay Jo mom lañ doon askan wi fel bu fi ah japp dé de bokk ci Sonko nga le leader de l'opposition danañ japp ne mom, li may na mayu madame maymouna bu sox wax moy exporter jeunesse au Sénégal ci immigration irrégulière c'est de l'exportation humaine li nga xam mom la réew am ci limu gëna fonk muy doom aadama di danañ ne Macky Sall mon mooy président bi nga xamné ci Sénégal mo ñëk bañ justice yoon doxal né ni la mu né duma ko def dañ jàpp tamit ne Macky Sall lu fu monsieur am mo japp lu mat junniy ndaw ak juroomi témèr

Chez France may waxtaan ak ay tubaab ñu jógee yeneen réew ñu ne ma yeen dal Sénégal dindi leen président de la République dindi leen premier ministre dindi leen les ministres ñu ne ma bu ngeen ko defee tim lu ko waral ñu ne ma parce que da ngeen am administration j'étais fier parce que je suis un cadre de l'administration. mais jugement si vous xam ne lañ doon def ci administration l'administration administration l'administration est en train de tomber te borom xam-xam yi yi gëstu ci état administration yep, li indi crise yu bari rawatina ci ñun Afrique dans la sous-région moy am ño xam ne gis nañ seen bop ci état té lañu ñu bokk ak am ño xam ne ils se sentent extérieur manam bokku ci état té boko ko seetloo effectivement lolu mo xew té l'administration moy bras bi nga xamné mom moy indi nermel bob, bo waree réew ñu am crise yépp bo xolé Côte d'Ivoire à l'époque c'était l'administration des élections bo demee Burkina Faso Niger etc. crise yépp am yépp lolu moko ko indi ñun nak ñu amoon am administration bo xamné bu dëgër bu taxaw la mais tay administration bobu mi ngi nërmelu te nërmeelu bi ci gëna grave bi gëna dangereux bi gën a yëngal réew moy administration bagn né du def li nga xamné mom la justice yon teural ñun dé ngeen li ñen wax ci justice boobu ba léegi que Macky Sall instrumentaliser la justice Kérok, euh, journaliste là ah, vraiment le Sénégal est un esprit de droit est un état de droit et consort Le juge Sabali dit euh, les décisions. Malin, euh, une hirondelle ne fait pas le printemps mais quand même il y avait une lueur d'espoir Ken mësuloon a xalaat ne juge ci Sénégal dana am courage jël une décision bi juge Sabali jël Mo amone lueur d'espoir dans tous les cas mom duguna ci histoire kenn ci dara wonena na yoon rëdd wi si biir danañ ko bint. Ñi dox ba si yag bien que nous leen do reprocher lu bari mais ñu jël décision bo c'est une décision courageuse c'est l'administration ah, Ousmane Sonko lolu nak metti Macky Sall kii wax na ko mu dàq ñom ñep bayu fa kenn ci un espoir fugitif et c'est qui le directeur général des élections. Je sais que c'est des instructions qu'on lui a données. Mais quand même, pour l'histoire, Alexis Bir, Bouni Bouni bind makisal, Bouni Kaba c'est vous qui serez indexé dans les livres d'histoire

J'aime bien l'article L6 du Code électoral. Parce que l'article L6 que le Sénat ma à mon avis trois pouvoirs jox na pouvoir d'injonction et de rectification je considère qu'il a exercé cette compétence. Parce qu'il a écrit et donné injonction à la direction générale des, élections pour que Ousmane Sonko soit réinstallé dans, ses droits conformément à l'ordonnance du juge de Mais le Sénat devrait encore aller plus loin. Parce que dans cet article L6, il a une compétence de désistissement et de substitution d'action. Désistissement et substitution d'action. Si l'administration des élections est défaillante, autrement dit, qu'elle a la possibilité, comme le prescrit les dispositions de cet article, d'imprimer des fiches de parrainage et de les remettre à Ousmane La loi va plus loin même en lui donnant la possibilité d'ester en justice. À mon avis, hein, j'interprète, elle aurait pu même le faire au besoin euh, par rapport à la lettre de revue par laquelle la Direction générale des, élections lui a répondu. Et de haut magistrat en posé nous déjà un acte c'est extrêmement important on espère que nous fa remplacer l'en Nous devons def lu yes. ñu remplacer lañ on est en train, en train de, de voir mais je voudrais aussi de façon générale interpréter interpeller l'UMS l'Union des magistrats du Sénégal, comme au Sénégal, comme disent les juristes, euh, l'administration est investie du, du privilège de la décision exécutoire. Parce que le législateur, vraiment, ici, à mon avis, a été bien inspiré parce qu'il sait que l'administration peut être amené à ne pas exécuter une décision de justice si cette décision est contre elle. Et l'article 6 donne la possibilité, comme il s'agit d'élections, à la Sénat de passer outre et de contourner toutes ces difficultés de non-exécution des décisions de justice. Et c'est très important à mon avis. Alors, l'UMS comme il n'y a pas ici au Sénégal d'organes pour euh, surveiller et superviser l'exécution des décisions du juge administratif, particulièrement, je pense que, comme la justice semble être humiliée par l'attitude de Macky Sall, l'UMS devrait pouvoir s'investir dans le combat. Parce qu'elle défend aussi les intérêts de la justice. Et ne pas exécuter une décision de justice, quelle que soit l'autorité qui, refuse cela, c'est une atteinte à la dignité de la justice et de la magistrature. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés, c'est impossible, inadmissible, inacceptable. Et je pense que l'EMS aura le droit, le courage de réagir par rapport à cette attitude de l'État du Sénégal. Alors, maintenant, des fois on a honte hein, parce que on appartient à cette administration. Nous avons essayé d'être des modèles. Hein. Ousmane Sonka parce qu'il a refusé un certain nombre de choses, jusqu'à être exclu de cette administration. Je ne parle pas de moi-même. Hein. C'est l'administration, on a subi autant de brimades, mais ce n'est pas grave. Et c'est pour cela que cette administration doit être repensée. Parce que ce sont des hommes de valeur qui sont là-dedans des compétences qui sont dans l'administration. Mais au nom d'un espoir de promotion, des fois, ils sont des attitudes incompréhensibles. Je crois que cela mérite d'être connu et combattu. Alors maintenant, d'EF. Le Lacoste est là, je vous félicite monsieur le coordonnateur, madame Maïmoun Bousso, Dambot, ce sont les initiateurs. Hein. C'est eux qui ont, eu l'idée, n'est-ce pas Les autres sont en train de, s'organiser. Je crois que le week-end, il y aura les chefs de Diane qui vont bouger un peu. C'est très bien. Mais il y a ce que moi j'appelle l'opposition globale. L'opposition globale. Aujourd'hui, que ce soit les syndicats d'enseignants, les syndicats de la santé, les syndicats de l'enseignement supérieur, que ce soit euh, les commerçants, les collectivités locales, que ce soit les partis politiques, que ce soit les mouvements politiques, nous avons un point de convergence, c'est que nous sommes tous victimes de l'injustice de Macky Sall et de son administration. Est-ce qu'on va continuer comme ça, de façon sectorielle, à essayer de mener le combat, alors que nous avons des points de convergence Et je crois qu'il est temps qu'on se retrouve autour de ces points de convergence pour résister contre l'injustice et nous battre pour la consolidation d'un état de droit comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas qu'il y ait des, catégories de population qui sont exclues de, de l'État et que d'autres ont le sentiment d'y appartenir et qui bénéficient de tous les privilèges. C'est ça le problème de nos pays. Et c'est ça que combat Ousmane Sonko. C'est pour cela cette initiative par laquelle nous continuons de le soutenir.

Mais non, Maki, vous ne pouvez pas, et c'est par là que je vais terminer, pour lui dire, il faut qu'il comprenne que jusqu'à l'assèchement des mers et des océans, il ne pourra pas ôter Ousmane Sonko du cœur des jeunes du Sénégal et de l'Afrique. Merci. Merci. Merci, euh, Président Habib, pour cette intervention pertinente.